Voilà, nous sommes de retour à l'Université générale de Dakar, précisément à la faculté des lettres et sciences humaines. Et nous sommes avec euh, Steven Damsen, un étudiant du département de géographie, et le président de l'amicale sortant. Monsieur Tien, nous vous saluons. Merci beaucoup, euh, Boss. Euh, merci également à vos téléspectateurs et à l'ensemble des étudiants du Sénégal et plus particulièrement des étudiants de la Faculté de lettres. Vous voulez apporter quelques éclaircissements de concernant la reprise la situation universitaire Je dois tout d'abord commencer par, euh, féliciter l'ensemble des étudiants, euh, autrement dit les primo-entrants qui viennent d'arriver à l'université et leur souhaiter la bienvenue au niveau de l'université Antoine de Dakar et dire aussi mon sentiment de satisfaction et de félicitations aussi à l'ensemble de mon bureau sortant et l'ensemble des étudiants qui nous ont fait confiance durant une année pour prendre en considération leurs préoccupations d'ordre social et pédagogique. En ce qui concerne la reprise graduelle au niveau de l'Université Chantegou de Dakar et plus particulièrement à la fin de l'année, je dois préciser que c'est la situation de la pandémie qui sévit au niveau national qui a occasionné toute cette, toute cette Ce qui a fait qu'au mois de septembre, nous avions eu à se prononcer sur la reprise et par la grâce de Dieu, nous avons terminé l'année en beauté. Mais actuellement, qu'est-ce qui sévit à la fin de l'année C'est la reprise. Nous avons commencé depuis le mois de janvier avec les étudiants de la première année. Et jusqu'à présent, les autres étudiants en licence 2, licence 3 et master n'ont pas encore démarré. N'ont pas encore démarré parce que nous n'avons pas voulu qu'ils démarrent, mais c'est parce qu'il y a une situation qui, nous l'impose. C'est dans ce sens-là que nous avons entré en contact avec l'administration, bien évidemment avec les mesures qui ont été allégées récemment au niveau du territoire national, qui aujourd'hui militent en faveur d'une reprise globale. C'est ce qui nous a poussé à entrer en contact, je dois le rappeler, avec l'administration. Et nous espérons que dans les semaines ou bien dans les jours à venir, nous pourrons penser et nous pourrons effectivement avoir une reprise globale au niveau, au niveau de la faculté de et sciences humaines. Les réflexions sont avancées, les discussions pareilles, et je pense que l'administration est réceptive. Il reste juste qu'à comment dire, aller en assemblée de fac, bien évidemment, comme l'a précisé le doyen après notre entretien, sur euh, comment dire, les modalités d'une décision à prendre au niveau de la fac. Ce n'est pas au doyen de le faire, mais c'est une, une, assemblée. Nous, en, nous, nous avons l'expérience parce que nous avons assisté à, cette, à ces assemblées-là. Et dans ce sens-là aussi que nous appelons à nos, à nos chers papas professeurs qui sont au niveau de la fac de prendre en considération le préoccupations des étudiants et nos sentiments de vouloir revenir en, en masse. Et nous pensons que ça se dès, la, semaine, la, semaine, prochaine. Bon, je pense qu'ils ne, ils ne font que jouer leur rôle. La recette, je ne sais pas, FLS debout ou bien FLS en avant, ils ne font que jouer leur rôle parce que les étudiants de la fac de lettres sont des étudiants de la faculté de lettres, ils ont le droit de, de, s'exprimer. Mais ce que je déplore, c'est qu'ils se cachent derrière des mouvements. Ils n'ont qu'à s'affirmer si c'est des mouvements, si c'est si une liste ou bien s'ils veulent concourir pour l'installation. Ils n'ont qu'à s'afficher et dire aux étudiants la vérité. Et je pense que tout étudiant régulièrement inscrit à la fac a le droit de se prononcer sur les questions, que ce soit mouvement étudiant, que ce soit syndicaliste, que ce soit autre chose. Mais les mouvements, un mouvement n'a pas sa vocation au niveau de la fac de lettres. S'ils veulent prendre la responsabilité de défendre les étudiants, ils n'ont qu'à s'affirmer dans le cadre de listes. Et je dois préciser que ce n'est pas eux seuls qui défendent la reprise globale. Donc, ils peuvent avoir leur grande gueule en disant que voilà, reprise globale etc. partout. Mais les gens, je pense qu'ils sont doués de raison et d'intelligence. Nous, ce que nous pensons, c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est la concertation avec les autorités. Et ce que nous avons entamé avec le doyen, avec ses collaborateurs, et nous espérons que dans les jours à venir, nous parlerons d'une reprise globale. Et je pense que ce n'est pas en perturbant, ce n'est pas en menaçant les gens, ce n'est pas en insultant l'administration, ce n'est pas en faisant du n'importe quoi qu'ils vont arriver à le faire. Et ce n'est pas eux qui ont porté le combat, c'est nous tous qui avons porté le combat depuis le début, mais de façon intelligente. Nous nous sommes battus pour qu'une reprise globale au mois de septembre. Et je ne pense pas ce qui nous empêcherait de le faire au mois d'avril ou au mois de mars. Et nous l'avons commencé. Mais nous avons une démarche et je pense qu'on euh, on nous a toujours taxé de, dans, ce sens-là, mais ça nous a toujours réussi, ça nous a toujours souri. C'est parce que on a toujours collaboré, on a toujours discuté, on a toujours privilégié les dialogues. Et c'est ce plan là que nous allons continuer. Et Inch'Allah, cette reprise-là, elle sera globale et c'est avec nous que ça se fera. Moi, je vais féliciter et souhaiter la bienvenue suñu yi nga monde bo di wax rek ne euh, université Sénégal dafa traverser crise crise boobu noonu moo tax tey nañu daan jàngee jàngeetuñu noonu c'est pas parce que nit ñi bëgg nañ ko mais peut-être conditions sanitaires yi moom moo ñu ko exiger je a fait que au mois de septembre question reprise globale ñëwoon na fi ñu am ci jéego yu am solo yuñ ci def ba yàlla def ñu teel a jeexal suñu année ba commencé waat ko ci jàmm ñu ñëw au mois d'avril au mois de janvier war a commencé waat année bu bees cette même question daal di ñëwaat mu am taxaway bo xamné am nañ ko ci en tant que tay représentant étudiant foofu ma ci profité di rendre hommage di féliciter ñëpp ñi nga xamné and ànd naa ak ñoom ci liguey atum lëmm ñu défendre les les intérêts des étudiants di len ci rendre hommage di len ci féliciter ci liguey bi nga xamné am nañ ko comme résultat di wax que ne bi loolu non amé ñun aussi nit ñi né ñi dé étudiants yi am ñu ñëw gis ñu nañu ah lan moy seen xalaat ci question bi nous on a toujours dit que ñun duñ ci dañuy yuuxu sur tous les toits du dañuy saaga administration du dañuy ŋàññi administration dañuy perturber di dañuy créer pour am li ñu bëgg li ñu mës di def mu ñuy yàlla dañu ci may ndam muy waxtaan ak administration discussion ak l' administration dialogue ak administration réfléchir ñu ñëpp pour am benn issue heureux et je pense que ci yoon boobu noonu laa mës nekk ak sama équipe gisuma lan moom commencé dañ ko ñu ci ciy waxtaan ak administration mun naa la wax ne échange bi ma ci am ak doyen am naa yaakaar que ne fii ak ñuy jóge feetu PAK bi reprise globale dina am au niveau de la famille loolu moom nag yaakaar nañ jam te gëm nañ ne bi mu ngi ci lu loolu noonu am ñu ciy profité di nga xam ne tey ñoom ñooy nekk assemblée de PAK ñoom ñooy nekk ci grandes instances yi mun naa ko wax parce que mus naa ko fekkee fekke naa ko bu benn yoon du ñaari yoon tey uute nag ak ki nga xam ne moom ñom rek la comme euh, comment opposition ministère de la parole ministère bi donc wax rek lay mën rek lay mais parfois objectivité da ciy trop nit ñi ciy def solo que ñuy reprise globale au niveau de l'université ñuy au niveau euh, des différents des de l'assemblée de fac comprendre les étudiants xamné y a la nécessité ñu en masse parce que tey bu ñu les mesures barrières les mesures sécuritaires nous alléger ko C'est parce que monde bi mu ngi évoluer les gens ont appris à vivre avec la pandémie donc je vois pas pourquoi waru mën a nangu tey dellu à l'université avec le respect des mesures barrières pour que ñëpp mën a jàngaat ci donc di wax tamit ben leeral rek bo xam damay dégg ñukoy wax xaw ma FLH wala kenn ñi wax na résultat daaw yi baaxul résultat yi li c'est-à-dire que nit ñi il va falloir que ku nekk loy wax mu nekk information yu vérifiée. mën naa jàpp ne fac de lettres ren am na résultat yu mucc ayib pourcentage bi ñu am ren jii musuñu ko am et je pense que képp ku fi taxaw ne résultat yi baaxul wala leen c'est parce que da ngaa nekk waa gauche wala nga nekk waa extrême gauche di wax loo xam ne sa yoon dara leeru la ci donc ñuy faral di wax loo xam ne leer nañu bañ a dugg ci yenn considération yoo xam ne di làkkatu ci ay mouvement étudiant am na droit étudiant bu nekk fu mu mën a nekk mu wax xalaatam ci fac bi mais na ko wax ci idéologie na ko wax ci bannière na ko wax ci car na ko wax ci casquette mais di tëb di wax nii rek te ñeme woo sax fësal ci fi ngay wax te je pense que loolu du mooy jëmale fac bi kanam fac bi ñun ñëpp ñoo ko bokk kon li koy doxal ñun ñëpp ñoo ci war a dox étudiants yi dellu si waat ñoom ñëpp jàmm ñun ñëpp la ñor te ñu ngi ciy xaar suñu tànk tubéy te incha allah man maa la ko wax fii ak la semaine prochaine reprise globale bi incha allah dinañ ci dox lépp te ñu ngi ko dinañ ci continuer lépp lu ñu ci doon def ba nga xam ne tey par exemple dina am mais duñu ci xeex duñu ci saaga duñu ci def lenn fa ñuy jaar lañ war a jaar yoon bi ñu war a jaar discussion waxtaan concertation dialogue ba am ko te incha allah dinañ ko am.